lo jàng yaa ko xam loolu liggéey yaa koy moomal sa bopp lo jàng yaa ko xam loolu liggéey yaa koy moomal sa bopp tey loo jàngoon nan ko xamee e. man lu ma liggéey man Yang menako hamnako gan menako gan Duna Duna duna duna duna duna yele Ah loli geya ko xamo fahel ba man ko cëyle cëyle cëyle cëyle cëyle cëyle man xam naa ne lii yow yaa liggéey looy liggéey na nga faxe ba xam ko loo jàng na nga faxe ba man ko ah. Bonjour, la parole. Merci, monsieur le président. Lasma. Une maladie dont l'étiologie est liée à des facteurs environnementaux, domestiques et génétiques restera toujours d'actualité. Au Sénégal, selon le service de pneumologie de l'hôpital FAN, 7000 cas d'asthme ont été répertoriés en 2014 et les trois quarts des cas ont eu leur première crise avant l'âge de 20 ans. Il y a une croissance assez importante, un doublement de la population de personnes asthmatiques par rapport à 2011. Des statistiques hospitalières nous font état du taux d'incidence d'asthme qui varie entre 3% chez les enfants et 6% chez les adultes. Certaines mesures de traitement sont mises en place et nécessitent un bon suivi du patient. La voie inhalée et l'absorption par les voies respiratoires. Elle est la plus pratiquée et les effets thérapeutiques recherchés dépendent essentiellement des techniques d'utilisation des dispositifs d'inhalation des médicaments. Elle demande un apprentissage rigoureux des patients et une bonne observance afin de diminuer les risques de survenue des crises, le nombre d'hospitalisations et le taux de mortalité. Différentes classes médicamenteuses sont utilisées dans son traitement. On peut citer les corticostéroïdes en inhalation, budesonide, beclométasone, fluticasone. Les bronchodilatateurs en inhalation de courte ou de longue durée d'action, salbutamol, terbutaline, phénotérol, salmétérol, formotérol les anticholinergiques, ipratropium, tiotropium, oxtropium, les médicaments contre les allergies d'administration orale ou par inhalation, chromoglycate, nédochromine, les bronchodilatateurs oraux, salbutamol, orciprenaline. les antilocutriennes oraux, zafirlucas, montelucas, les dérivés de la santine d'administration orale, théophiline, aminophylline, oxtriphiline, et les corticostéroïdes systémiques oraux en cas d'exacerbation aiguë seulement. Le choix du médicament varie selon la gravité de l'asthme. Les cas les plus légers sont habituellement traités par un bronchodilatateur de courte durée d'action en inhalation utilisé au besoin. Si les symptômes persistent, le régime thérapeutique comprendra également un corticostéroïde en inhalation régulière. À ce stade, la dose du stéroïde en inhalation est habituellement basse. Elle augmente progressivement si les symptômes s'aggravent. Le traitement de l'asthme léger fait intervenir la théophiline à dose basse, un antilocutrien ou un médicament contre les allergies en inhalation comme solution de rechange au corticostéroïde en inhalation à dose basse. On aura recours à un bronchodilatateur de longue durée d'action si les symptômes deviennent modérés ou graves. Pour mieux améliorer sa thérapie, Certaines molécules anti-asthmatiques sont soumises à des réactions chimiques, réactions d'estérification, etc., qui nous mènent à des modifications structurales. Ces changements permettent d'avoir des propriétés pharmacocinétiques meilleures et de protéger les molécules contre l'action de certaines enzymes biodégradantes, catéchol o méthyltransférase. Une augmentation de leur lipophilie, de leur vitesse d'absorption et de leur durée d'action est aussi notée. Ces réactions peuvent leur procurer une plus grande sélectivité pour les récepteurs bêta-2 adrénergiques des muscles lisses bronchiques et l'amélioration de leur tolérance. On retrouve les corticostéroïdes qui sont administrés sous forme de prodrogues, médicaments précurseurs ou antédrax, médicaments autodétruits afin d'avoir une action locale et d'éviter leur toxicité. Les prodrogues sont donc métabolisés en produits actifs avant d'atteindre leur site d'action. Par contre, les antédraques sont actifs localement et rapidement convertis en métabolites inactifs après leur action. Pour les bronchodilatateurs bêta-2 adrénergiques, la durée d'action dépend de leur lipophilie, mais aussi de leur protection contre les enzymes biodégradantes. Plus elles sont lipophiles, plus elles sont fixées au récepteur, plus la durée d'action augmente, ce qui fait la différence entre les bronchodilatateurs bêta-2 adrénergiques de courte et de longue durée d'action. L'administration par voie orale est plus aisée pour le patient avec la possibilité d'administrer des doses élevées, mais elle présente quelques limites. Les molécules peuvent être dégradées par des enzymes hépatiques et les effets thérapeutiques n'apparaissent qu'après un temps de latence. Les molécules peuvent être irritantes pour le tube digestif. La voie injectable donne un effet très rapide. Elle est utile pour un patient inconscient mais peut être douloureuse et présente des risques d'infection. La voie rectale est rarement utilisée, mais elle est sollicitée chez les patients nauséeux, inconscients ou incapables d'avaler. Cependant, elle peut provoquer une irritation de la muqueuse et sa résorption est irrégulière. Elle peut être jugée désagréable par le patient sans oublier le réflexe de rejet chez les enfants. Globalement, avec les modifications structurelles, on peut diminuer les risques d'effets secondaires, diminuer la toxicité des molécules, augmenter leur durée d'action et renforcer leur sélectivité pour l'organe cible. Certaines molécules ont pu être administrées par différentes voies d'administration grâce à ces transformations qui permettent d'améliorer leurs propriétés pharmacocinétiques. J'en ai fini, Monsieur le Président. Même pour schéma, tu utilises figure. Hein. Même pour schéma, utilise figure. Donc c'est en réalité toutes des figures. Hein. Ah, mais à la page 58, à la page 58, donc pour les chambres d'inhalation, hmm, pour les chambres d'inhalation, ici, les, figures que tu as présentées, les chambres que tu as présentées, sont, les dimensions des figures sont trop petites. Là, je pense que tu pouvais en choisir une et le mettre en grand format et la chambre d'inhalation bien mise en exergue. Parce que c'est ce que tu veux montrer. Hmm? Donc, ce qui fait que ici, ça n'apparaît pas très clairement. Alors, j'ai bien aimé cette partie, parce que même nous, les pharmaciens, parfois, on a des problèmes dans l'utilisation des, chambres d'inhalation, dans l'utilisation des aérodoseurs, parce qu'il faut une certaine technique d'inhalation. Et quand vous conseillez au malade, il faut bien lui expliquer comment on l'utilise. Donc ce qui fait que j'ai bien apprécié évidemment cette partie. Alors, donc j'avais par rapport à ces chambres d'inhalation une question. C'était la différence entre entre le conditionnement en aérosol doseur et nébuliseur. Hmm? Parce que tu, les as séparés. Les nébuliseurs, j'ai vu qu'ils étaient différents des aérosols doseurs. Je veux, certainement, tu à, partir du document, à partir du travail que tu as fait, je présume que maintenant, en la matière, tu es le pharmacien spécialisé. Hein. Donc, c'est la raison pour laquelle je te pose cette question est-ce que tu peux m'expliquer la différence qui existe entre aérosol doseur et nébuliseur S'il y a une différence, évidemment. Alors, à la page 80, à la page 80, c'est une, suite de tableaux que tu as donné. Hmm? Tu les as présentés sous forme de paragraphes. Mais moi, je pense que ce n'était pas nécessaire parce que chaque paragraphe, à la page 80, à la page 80, Hmm? Donc tu as mis 1, 3, 1 médicament inhalé sous forme d'aérosol. Or ici, quand on regarde le texte d'avant, c'est tout simplement des éléments de récapitulation. Tu pouvais les greffer après chaque paragraphe de l'autre côté. Donc quand tu parles de médicaments sous forme aérosol, tu greffes le tableau là-bas, un tableau, ensuite tu prends un deuxième tableau, au lieu de les présenter sous forme de paragraphe. Un paragraphe en réalité ne peut pas constituer un tableau. Un tableau ne peut pas constituer un paragraphe. Hmm? Donc je pense que tu peux les inclure dans le corps du document. Hmm? Donc à ce niveau. Bon, il y a, d'autres coquilles, mais je vais te passer mon document, comme ça tu les prendras en compte. Donc voilà, Monsieur le Président, les observations que j'avais par rapport au document qui m'a été soumis, qui a été soumis à mon appréciation. Je dois dire qu'il n'y a pas beaucoup de fautes, hein, franchement. J'ai lu avec beaucoup de, de mais il n'y a pas eu beaucoup de fautes. Et je pense que si tu as pu bien faire ce travail, c'est parce que tu as été bien encadré en la personne d'abord de, votre direct, de notre maître et, direct, et votre directeur de thèse, le professeur Ouellet, que je félicite, qui encadre beaucoup d'étudiants, qui s'est investi beaucoup dans la formation des étudiants. Et vous avez également été encadré de façon proche par euh, votre co-directeur, mon grand frère, le docteur Idrissa Ndoye, quelqu'un également que j'apprécie beaucoup pour ses qualités humaines. Et je lui souhaite une belle carrière professionnelle. Je le félicite également. Si vous avez pu faire ce travail, c'est parce que vous avez les qualités requises. Et ces qualités, vous le devez à vos parents. J'ai lu euh, dans vos dédicaces que votre père est, est du corps. Donc je voudrais le saluer, évidemment, pour lui dire tout simplement qu'il a fait un bon travail. Je voulais le féliciter féliciter votre maman, féliciter votre famille au sens le plus large du terme. Et Monsieur le Président, terminer par dire tout simplement que Abi, je l'ai connue étudiante, donc c'est une étudiante sérieuse, donc elle est travailleuse, et si elle a, pu produire ce document-là, elle le doit à ses qualités. Je voudrais tout simplement terminer par lui souhaiter des vœux, des vœux de réussite sur le plan professionnel, mais également une carrière euh, familiale, une vie familiale bien remplie. Voilà, nous en avons terminé. Merci. Merci, professeur Diop. Euh, Diop, comme à son habitude, nous a gratifié de commentaires, euh, en tout cas très intéressants. Il a apprécié positivement le travail que vous avez réalisé. Il a fait des remarques de forme, de fond, <clears throat> et il a également posé des questions. Donc je vous donne la parole pour... Euh, euh, prendre acte de ses remarques, répondre à ses questions et au passage lui adresser des mots de remerciement. Nous n'avons pas douté un seul instant que vous accepteriez de nous faire l'honneur de juger ce travail. Nous avons bénéficié de votre enseignement clair et méthodique durant notre cursus universitaire. Nous avons toujours admiré votre compétence, votre rigueur dans le travail, mais surtout votre mais surtout vos qualités humaines. Recevez ici, cher maître, notre profonde estime. Notre maître et juge, monsieur le professeur Amadou Diop, nous a posé une question concernant la différence entre, euh, entre les nébuliseurs et les aérosols doseurs. La nébulisation ne nécessite pas une coopération respiratoire du patient, alors que pour les aérosols doseurs, Bon, il nous faut une coordination main-bouche. C'est pourquoi les nébuliseurs sont prescrits aux nourrissons et aux, et aux personnes âgées. J'en ai fini, Monsieur le Président. Je passe la parole à votre directeur de thèse, le professeur Ouellet. Je vous remercie, donc, Monsieur le Président. Donc, Abi, je vous remercie donc, de m'avoir euh, invité dans votre jury de thèse docteur euh, Idriss Sendoy, qui a pratiquement tout managé. Hein. Moi, je ne suis que le directeur de thèse administratif. C'est la raison pour laquelle j'aurai quelques euh, arguments à, développer. Donc, je partage ce jury avec euh, le professeur Barangay, qui est quelqu'un que je connais depuis plus de maintenant deux décennies. Hein. Quand je regarde sa date de naissance, je me dis, tiens, mais c'est l'année à laquelle j'ai terminé mon internat. Donc, on ne voit pas l'âge passer. Hein. On prend de l'âge sans s'en rendre compte. Donc Barak, que je connais depuis près de deux décennies et je le remercie d'avoir accepté de présider d'abord ce jury, mais aussi d'accepter cette heure de 17 h Parce que c'est très compliqué, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette heure, c'est très compliqué d'avoir euh, un jury à, à 17 heures, très difficile, surtout le mercredi, surtout à la veille encore d'un jour férié. Donc ce qui veut dire pratiquement tous les enseignants sont partis. Donc je le félicite d'avoir euh, accepté de présider ce jury, mais je n'ai aucun doute là-dessus parce que Barra, c'est quelqu'un que je connais depuis des années, qui est un homme très courtois, très impliqué dans les activités de, la fac, qui occupe euh, une place aussi très importante à l'hôpital euh, de Fan, hein, où il gère la, pharmacie. Et actuellement, cette thématique que vous développez, surtout les médicaments que vous avez mis ici, ce sont des médicaments qu'il connaît, et qu'il euh, distribue pratiquement tous les jours, hein, parce que cette thématique-là, c'est une thématique qui est très présente au niveau de l'hôpital d'enfants Albert de, Fan. Je félicite aussi le docteur euh, Amadou Diop hein, pour sa disponibilité, mais je le félicite surtout d'avoir accepté de lire tout le manuscrit, hein, parce que ce n'est pas évident d'avoir aussi des collègues qui acceptent de lire euh, tous les manuscrits. Ça permet d'améliorer les, choses, d'améliorer les, les manuscrits et des landes beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, Alors, votre thèse porte sur, euh, sur l'asthme. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi le, 10, aujourd'hui c'est le 9. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Hier, c'était la journée de l'asthme. Hein, j'avais cru même un instant que vous avez fait exprès de trouver cette coïncidence. Mais hier, effectivement, c'était la journée de l'asthme, qui est une maladie très préoccupante. On dit que c'est la première pathologie chronique de l'enfant. Chez l'enfant, la première pathologie chronique, c'est l'asthme. Ça pose un véritable problème de santé publique. On a même des familles d'asthmatiques où vraiment de la mère jusqu'aux enfants, tout le monde est asthmatique. Et l'asthme dans une famille, pratiquement, c'est euh, l'avenir pratiquement de tous les enfants qui sont hypothéqués. Parce qu'il y a souvent des moments de pause liés à la maladie. C'est une maladie qui est très difficile à, prendre en charge. Alors pour ce qui concerne le cas un peu du Sénégal, euh, nous savons qu'à Dakar, il y a actuellement beaucoup de pollution. C'est bien d'importer ces, voitures qui viennent de France, là, ce qu'on appelle les venants. Là. Mais souvent, c'est des voitures euh, qui ont en fait euh, euh, beaucoup de, beaucoup, qui dégagent beaucoup de polluants. Et quand on voit qu'à Dakar, c'est une ville qui est très polluée, hein, et quand on voit la promiscuité qu'il y a, ces marchands ambulants qui ne savent pas qu'au quotidien, qui sont en, en train d'absorber des polluants, ça s'en rend compte. Quand même au regard de ces, ces dames qui, à longueur de journée, mendient dans les, dans les rues avec un enfant au dos, avec tous les polluants qu'ils absorbent, on voit que c'est un terrain qui est vraiment fertile pour le développement de l'asthme. Au quotidien, les gens sont en contact avec ces polluants qui développent l'asthme. C'est ce qui fait que la journée d'hier était vraiment une très bonne journée. Malheureusement, l'information se limite à, des structures euh, que nous connaissons, hein, les médias et autres. Mais je crois qu'il faut aller dans la rue, informer les gens qui sont dans la rue, qui sont en contact direct avec des polluants qui malheureusement développent l'asthme. Et c'est pas étonnant que la, prévalence soit est élevée. Ça augmente de plus en plus. Surtout, on les retrouve euh, pendant les périodes où il y a une forte chaleur. Et quand il y a une forte chaleur, avec ces polluants-là, je vous assure que tout ce qui passe là-bas en absorbe de grandes quantités. C'est pour vous dire que vraiment, c'est une euh, pathologie qui est très préoccupante, surtout pour le Sénégal. Et ensuite, hier, en écoutant les, collègues parler de l'asthme, il paraît qu'il n'y a que 15 spécialistes en asthme, en pneumologie. Les 12 à Dakar. Il reste 3 pour les autres régions. C'est que vous dites qu'il y a des régions où les patients n'ont pas accès aux spécialistes. Donc vous voyez bien que c'est un véritable problème de santé publique qui est là. Et c'est une maladie qui est très, très préoccupante et très, très chronique. Donc les médicaments coûtent très cher et ça pose un véritable problème de prise en charge, aussi bien pour les patients pour, pour l'État, parce que malheureusement, si on ne fait rien, c'est une maladie qui est euh, très mortelle. Euh, je ne sais pas si vous avez les statistiques, euh, parce que les statistiques au Sénégal sont un peu biaisées. Hein. Ce que vous avez, ce sont les statistiques du centre de référence qui est au niveau de l'hôpital de Fan. Mais ça, c'est pour les gens qui sont à Dakar et autres. Mais dans les autres régions où les gens n'ont pas accès aux structures de santé, évidemment, on n'a pas des statistiques qui sont, qui sont correctes. Ce que vous dites que c'est une maladie qui fait actuellement beaucoup, beaucoup de dégâts, on ne s'en rend pas compte. Et, malheureusement, bon, on ne fait absolument rien du tout parce que, à mon avis, il y a une véritable politique d'information à faire au niveau des populations pour que euh, les gens puissent quitter les lieux où sont vraiment en contact direct avec euh, la, la, maladie. Donc, ce qui veut dire que vous avez fait un travail très utile. Hein. c'est vraiment un travail qui est venu au bon moment. Hein. vraiment, hier, c'était la journée de l'asthme. Aujourd'hui, vous soutenez encore une thèse sur l'asthme hein, parce que moi, j'ai eu il y a quelques années aussi à faire une autre thèse sur l'asthme. Je crois qu'il y a beaucoup de thèses qui tournent là-dessus. C'est pour vous montrer en fait que c'est une maladie qui préoccupe vraiment euh, aussi bien les spécialistes que, que euh, euh, la, santé publique. Donc je vous félicite d'avoir eu à mener ce travail avec le docteur Idriss Sodoy qui est un travail bien mené. Alors vous avez divisé votre manuscrit, c'est bien articulé, autour de deux parties. La première partie est très bien fourni. Je disais hier à un de mes jeunes collègues, il faut qu'il euh, s'approprie le manuscrit, parce que moi, c'est moi qui fais le cours sur l'asthme. Hein. Je crois que c'est moi-même qui vous a fait l'enseignement sur l'asthme, hein, sur les médicaments de l'asthme. Et j'ai vu que vous avez beaucoup amélioré les, connaissances. Il faudra qu'on revoie d'ailleurs le cours par rapport à ce que vous avez vu dans votre thèse parce que la première partie est très bien fournie. Hein. Il y a vraiment tous les médicaments que nous connaissons d'autres qui sont nouveaux, hein, que je ne connaissais pas aussi et que je découvre, parce que c'est ça l'objectif des thèses, hein, c'est de faire travailler les étudiants dans le but hein, d'améliorer un peu ce que nous, euh, nous dispensons. Et vraiment, la première partie, je n'ai pratiquement, pratiquement rien à dire, elle est très bien menée, très bien faite, où il y a vraiment de très belles euh, iconographies. la deuxième partie aussi, vous avez insisté surtout sur les différents médicaments. Parce qu'effectivement, les médicaments sont très nombreux, mais surtout les modes d'administration. Bon, certains, vous les avez trouvés dans le net, parce qu'on n'en a pas ici. D'ailleurs, même d'après ce que les collègues ont dit, il n'y a pas de centre de, euh, pour la réanimation quand on est en crise d'asthme. Hein, et souvent, euh, ces méthodes que vous décrivez ici, c'est des méthodes qui sont utiles, surtout quand on est en phase de crise. C'est pour la réanimation, réanimation en général. Et on n'en a pas ici. Et ça pose un véritable problème. C'est ça qui fait qu'ils ont euh, mis sur pied ce qu'on appelle l'école de l'asthme, ça s'appelle comme ça, hein, l'école de l'asthme, où il y a un, un, échange entre les spécialistes et les, les patients pour les, les, préparer justement à affronter la maladie, pour savoir comment, quels sont les facteurs qui déclenchent la maladie en fait. C'est surtout ça. Il faut beaucoup agir en amont, avant qu'il y ait la crise. Parce que souvent, à des, quand il y a une crise qui est très, très avancée, même la prise en charge est compliquée, même si vous êtes devant le spécialiste. Parce que souvent, ce que vous mettez dans votre deuxième partie n'existe pas. Ah, il y a beaucoup d'éléments que j'ai vus ici qui n'existent pas ici, malheureusement. Ça pose un problème dans, la, euh, dans le pronostic de ces, patients-là. Alors, ils ont donc euh, beaucoup développé euh, la partie information et j'ai beaucoup apprécié justement ces facteurs déclenchants que vous avez mis dans la première partie. La pollution, j'en ai déjà parlé. Le tabac, vous avez beaucoup insisté sur le tabac et vous avez beaucoup insisté aussi sur euh, les allergènes. Les allergènes, on en a au, quotidien pratiquement, hein. on les vit tous les jours. Hein. Même l'alimentation peut être un facteur euh, d'allergène. Et ça, je crois que c'est un élément aussi très important et qu'il faudra euh, donner aux patients, les informer, hein, pour leur dire, tiens, si vous mettez dans telle, telle ou telle situation, vous risquez de, développer la maladie et ensuite faire en sorte que les médicaments soient le plus disponibles possible. Parce que c'est une maladie chronique hein, que vous serez obligé à prendre pratiquement pour certains toute leur vie. Hein. Et ça, ça pose un véritable problème de coût. Parce que ces médicaments qui sont nouveaux, qui sont les plus efficaces, malheureusement, euh, je ne sais pas si vous avez mis le prix, euh, c'est des médicaments qui coûtent excessivement cher. Euh, pour des populations diminuées, c'est pratiquement impossible hein, de pouvoir traiter la maladie dans ces conditions. Alors, ce qui veut dire que c'est euh, une, thèse qui est très intéressante, très bien menée. Moi, je ne reviens pas sur euh, tout ce que vous avez déjà euh, développé, tous ces aspects qui concernent les mécanismes d'action des médicaments qui a été bien mené et aussi sur la toxicité de ces, médicaments. Alors c'est ça qui fait qu'il y a eu un élément très important que vous avez développé dans, dans, votre manuscrit. C'est la notion de antidrogue et de prodrogue, ce que j'appelle moi les médicaments autodestructeurs. Parce que comme le, traitement euh, concerne la sphère euh, bronchopulmonaire, on fait en sorte que les médicaments agissent au niveau de la sphère bronchopulmonaire sans pourtant puisse pour agir sur d'autres organes. Éviter que les médicaments puissent aller agir sur le cœur ou bien le, le foie et autres. De telle sorte que les physico-chimistes et les galénistes ont développé des médicaments qui, dès que vous les prenez au niveau bronchopulmonaire, dès qu'une partie passe dans le sang, le médicament est, dégradé en un produit inactif. Et ça, c'est une nouveauté. C'est très important pour le traitement de la Ça permet d'éviter un peu les effets indésirables qu'on observe souvent, puisque comme c'est une maladie chronique, mais ben, évidemment, il y a souvent des effets indésirables liés à l'utilisation à long terme. Alors, cette notion d'antidrogue-là, qu'on appelle encore les médicaments autodestructeurs, que vous avez développé à la page 69 et 71, à mon avis, c'est une découverte qui est, euh, très importante, qui mérite à être soulignée. Mais je ne sais pas si ces médicaments existent actuellement dans le marché au Sénégal, hein. euh, parce que je crois que ça doit être des produits qu'on retrouve un peu en France. Alors pour les médicaments pro-drogue, ça nous les avons déjà. Hein. ce sont des médicaments qui permettent de traiter l'asthme chronique, hein. donc le traitement de fond, comme on dit, et qui permettent d'avoir des médicaments dont la durée d'action est très, très, très allongée. Donc c'est une thèse qui est, à mon avis, très bien, hein, avec une bonne euh, articulation des deux parties, hein, bien équilibrée, et qui permet justement aux spécialistes de pouvoir consulter votre euh, document hein, pour avoir donc euh, toutes les informations utiles donc à la prise en charge de l'AS. Alors je vous félicite d'avoir eu à mener ce travail jusqu'au bout avec mon collègue le, le docteur Idriss Ndoye qui déjà lui a arrêté le sujet et la développé pratiquement avec vous. Ah, moi, je n'ai eu qu'à regarder le manuscrit vers la fin hein, pour les, quelques corrections de forme hein, concernant votre manuscrit. Sinon, à mon avis, le travail est bien fait et l'objectif est atteint. Donc, je vous félicite d'avoir eu aussi aller jusqu'au bout de votre formation hein, parce que euh, on ne forme pas un, euh, pharmacien à l'année de thèse. C'est depuis la première année de pharmacie. Ce sont des études extrêmement difficiles, extrêmement compliquées qui ont besoin de beaucoup de, connaissances. Et souvent, on dit que ce sont les meilleurs qui arrivent au bout. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est parce que vous avez euh, de très bonnes dispositions intellectuelles, mais aussi une bonne éducation, parce que sans éducation, on ne peut pas aller aussi au bout. en passant, je félicite vos parents de vous avoir donné une éducation solide qui fait que vous avez réussi à aller jusqu'au bout de votre aise. Et je souhaite vraiment que Dieu vous donne tous les moyens de faire oublier à vos parents tous les, tous les sacrifices qu'ils ont concentrés d'une part pour votre éducation, mais aussi pour votre formation. Je souhaite aussi que Dieu vous donne tous les moyens pour être utile à la communauté, c'est pourquoi on forme euh, un pharmacien, et aussi d'être utile euh, à la, à la, santé, hein, parce que vous avez embrassé ce domaine qui est un domaine euh, très compliqué où le pharmacien joue un rôle extrêmement important, aussi bien au début à la fin de la pyramide de la santé. Donc voilà en fait, euh, Monsieur le Président, euh, bon, les quelques remarques que j'avais pour euh, sa thèse. Hein, je vous donne la parole. <coughs> merci le valet est également satisfait. Il a juste apporté quelques clarifications et des contributions. Donc je vous donne la parole pour lui adresser des mots de remerciement. Et je me faisant, vous allez également remercier le docteur Noy qui vous a coaché. Merci, Monsieur le Président. À notre maître, juge et directeur de thèse, Monsieur le professeur Alassane Ouellet, je tiens à remercier mon directeur de thèse pour la confiance qu'il m'a accordée en acceptant de diriger ce travail doctoral, malgré un calendrier très chargé. Nous vous sommes reconnaissants pour votre disponibilité à notre égard et vous prions d'accepter nos sincères remerciements. À notre co-directeur de thèse, Monsieur le docteur Idriss Ndoye, la spontanéité avec laquelle vous avez accepté de nous encadrer nous a beaucoup touchés. Nous vous remercions du fond du cœur de nous avoir accordé de votre temps en dépit de vos multiples occupations. Nous vous remercions pour l'aide et les nous vous remercions pour l'aide et les conseils que vous nous avez prodigués pour l'élaboration de ce travail. Soyez assurés, cher maître, de notre profonde reconnaissance. J'en ai fini, Monsieur le Président. Merci de m'avoir euh, invité à votre euh, séance de soutenance. Je vous en remercie euh, sincèrement. Je voudrais également remercier votre directeur de thèse, Professeur Vallet, qui m'a également convié. Professeur Vallet, que j'apprécie beaucoup. C'est toute l'estime que je lui porte. Quelqu'un de bien, quelqu'un de disponible et d'engagé. Il a beaucoup de thésards euh, il encadre pas mal de nos étudiants et il permet à ces étudiants d'avoir des tests de grande qualité, des tests de haute facture et qui constituent à mon avis une valeur ajoutée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. je profite de toutes les occasions pour lui rendre hommage. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un de discret, de travailleur, de compétent et qui rend beaucoup service à notre institution à travers bien sûr les enseignements de chimie thérapeutique qu'il dispense, mais également à travers les nombreuses thèses de pharmacie qu'il encadre. Donc euh, tous mes hommages et tout mon respect au professeur Wélin. Le professeur Amadou Diop nous a montré tout à l'heure tout son talent. Il nous a fait une bonne, il nous a une bonne argumentation du travail d'Abi. Donc c'est quelqu'un de sérieux, de courageux, parce qu'on le sollicite régulièrement maintenant depuis qu'il est euh, passé maître de conf agrégé. Et à chaque fois, il ne rechigne jamais, il accepte en tout cas de nous accompagner dans cet exercice. Et régulièrement, quoi, quand il est convié, une fois qu'il a euh, passé en revue les problèmes posés par le document, on n'a plus rien à dire. Donc vous verrez qu'en dehors des remarques qu'il a formulées, il n'y aura pas, pas moi, je n'ai pas de remarques particulières. Donc il sait également toute l'affection que j'ai pour lui et je profite également de l'occasion pour l'encourager. Ah, il est très sollicité, bon, les étudiants l'adorent et voilà, c'est comme ça. En tout cas, je, le remercie d'avoir accepté d'être là pour euh, juger votre travail. Ah cela dit, donc, vous avez travaillé sur euh, une, thématique importante. Le professeur Valé est revenu là-dessus. Hier, on célébrait la journée de l'asthme. Donc, c'est pas pour. C'est pas pour toutes les pathologies que l'on a une journée dédiée pour l'asthme, on a une journée dédiée, ça veut dire que c'est une maladie qui pose beaucoup de problèmes de prise en charge également. Euh, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par, cette maladie. Euh, une maladie multifactorielle, donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent, qui peuvent être à l'origine de l'asthme. Euh, ils en ont parlé tout à l'heure. Le tabac, actif ou passif, peut être à l'origine, en tout cas le tabagisme plutôt, peut être à l'origine d'asthme, parce que dans la fumée de tabac, vous avez beaucoup de substances qui peuvent être à l'origine d'allergies. Et, quand on fume ou quand on est euh, à côté de fumeurs, on peut développer très facilement un asthme. Autre facteur qui revient assez souvent, c'est les animaux de compagnie. Les déjections d'animaux peuvent être à l'origine d'asthme. Les poils de chat sont incriminés les déjections de certains acariens, des blattes, des cafards, sont également euh, souvent citées dans la survenue de, l'asthme. Certains aliments également sont incriminés. C'est le cas des cacahuètes. Il y a des gens qui ne supportent pas les crevettes. Donc, euh, des aliments également sont à l'origine de l'asthme. Mais pour ce qui nous concerne, nous, il y a les médicaments. J'ai une sœur qui est fortement allergique à l'aspirine. Elle a failli y passer une fois, elle a accouché, on lui a, euh, on lui a euh, injecté de, de salicylate de lysine. Heureusement qu'elle s'en est rendue compte, elle est pharmacienne. Et dès qu'elle a commencé à avoir les symptômes, elle a attiré l'attention du médecin. Vous m'avez injecté quoi Il dit de l'aspirine. Automatiquement, on a arrêté la perfusion. Mais entre-temps, les rares gouttes qui sont passées ont eu des effets. Donc, elle a commencé à avoir... Euh, euh, un choc, etc. Mais on a arrêté très tôt, de façon, de façon précoce, donc la perfusion. Donc tous ces facteurs-là peuvent être euh, retrouvés dans des cas d'asthme. Mais le facteur également qui revient, c'est l'hérédité, le terrain. Donc quand on est issu de parents asthmatiques, il y a de fortes chances qu'on développe un asthme. Ce n'est pas toujours le cas, mais il y a de fortes chances que la maladie soit transmise à la descendance. Donc ça aussi, il faudrait l'intégrer euh, lorsqu'on a des parents qui souffrent de, cette maladie. Heureusement que la prise en charge est, bon, je dirais pas facile, mais en tout cas, il y a des moyens pour prendre en charge. Vous avez donné des chiffres par rapport au Sénégal, 7000 cas, je suis sûr que ça dépasse ça. Moi, le nombre de cas qu'on m'envoie pour que je les mette en rapport avec des pneumologues, parce que ce sont des pneumologues qui, qui prennent en charge les pathologies respiratoires, par an, ça fait au moins une centaine de cas. Et c'est des cas adultes, sans compter maintenant les cas pédiatriques qui sont suivis dans les hôpitaux, dans les hôpitaux pédiatriques, comme, comme Albert Royer. Donc je suis sûr que le chiffre que vous donnez est peut-être un chiffre hospitalier. Bon, il faudrait peut-être bien vérifier la référence, mais je suis sûr que le nombre de les, cas d'asthme au Sénégal dépasse largement le chiffre de, 7000 que vous avez euh, mentionné dans, dans, votre document. Et pour l'asthme, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut prendre en charge les médicaments sont disponibles. On a une large gamme de médicaments qui appartiennent à des familles variées, bronchodilatateurs, des corticoïdes, des anti-allergiques, euh, qui règlent des problèmes. Mais encore une fois, le maître mot pour l'asthme, c'est la prévention. La prévention. Dès qu'on connaît le facteur déclenchant, on peut l'éviter. Il faut l'éviter parce que lorsqu'on est, euh, est, est en contact avec l'allergène, on peut facilement faire un choc et, y passer. Donc le plus important, c'est donc de voilà d'être euh, attentif à, la maladie, aux facteurs qui déclenchent votre maladie et d'éviter euh, de, ces facteurs-là. Il en a parlé tout à l'heure. Il y a une école de l'asthme et cette école justement sert à sensibiliser les malades pour qu'ils se prennent en charge, mais également l'entourage du malade. Surtout s'il s'agit d'un enfant, il faut que la famille en tout les proches, euh, sachent euh, diagnostiquer ou repérer les symptômes qui, euh, qui sont les plus significatifs pour que la prise en charge soit faite le plus rapidement possible afin d'éviter donc une crise aiguë. Et les crises aiguës, bon, c'est vrai qu'il n'est pas au courant, mais afin depuis un an, on a mis en place une unité de prise en charge de l'asthme aigu. Donc on a au niveau de la pneumologie une unité qui est dédiée à la prise en charge des pathologies respiratoires aiguës et en particulier l'asthme. Donc euh, les malades qui souffrent d'asthme, bon, voilà, il y a des commodités, on a des chambres d'inhalation. Euh, et voilà, quand quelqu'un arrive et fait sa crise aiguë, très rapidement, il est pris en charge et donc euh, traité comme, comme il le faut. mais il n'y en a pas ailleurs, je crois, en dehors de l'hôpital de Fan. Et cette unité est récente, elle date de, moins de deux ans. Donc c'est bon à savoir pour ceux qui souffrent d'asthme euh, mais le gros problème avec l'asthme, c'est, comme il a dit tout à l'heure, c'est une pathologie qui doit être traitée au long cours. On ne guérit pas de son asthme, mais on peut contrôler son asthme. En quoi faisant En prévenant, donc en évitant l'allergène, mais surtout lorsqu'on sent les symptômes qui arrivent, il faut très rapidement prendre les médicaments parce que généralement, euh, l'asthmatique connaît les médicaments qui le soulagent. Donc il faut les avoir à portée de main et donc les utiliser à bon escient, à la bonne dose, en respectant la durée du traitement. Les médicaments coûtent relativement cher, notamment les médicaments, euh, les nouvelles classes qui ont été mises sur le marché il n'y a pas longtemps. Euh, à ce niveau, il y a des efforts à faire. Pour les médicaments relativement anciens, bon, il y en a qui figurent sur la liste des médicaments essentiels de la PNA, donc euh, avec une accessibilité financière relativement facile. Mais pour le reste, pour ce qui est des nouvelles classes d'anti-asthmatiques, ah, le coût est parfois hors de portée des populations euh, sénégalaises. Euh, vous savez, ah, on est dans un contexte où on a beaucoup d'indigents, beaucoup de malades, euh, en beaucoup de personnes qui n'ont pas souvent des revenus et qui doivent se faire soigner. En tout cas, c'est une bonne thèse. Je voudrais donc féliciter Abi qui l'a bien mené, avec bien sûr l'œil bienveillant du professeur avec le coaching rapproché du docteur Noy euh, qui n'a, je suis sûr, ménage aucun effort pour vous permettre d'avoir un document de grande qualité. Je n'ai pas de remarques particulières, je l'ai dit tout à l'heure. ce job a fait les remarques qui s'imposaient. La thèse est bien écrite, pas de problème de forme, pas de faute, avec des, de belles iconographies. Donc je voudrais donc euh, féliciter votre encadrement, euh, féliciter vos parents, qui vous ont aidé, soutenu et permis de faire vos études, qui sont des études très longues, très difficiles, et qui nécessitent très certainement beaucoup d'engagement de la part de l'étudiant, mais également beaucoup d'accompagnement de la part des proches, et en particulier des parents. Donc je voudrais rendre hommage à vos parents, en particulier votre père, docteur Doucouré, qui est le premier pharmacien à s'être installé à Dara. Quand il y allait, il n'y avait rien là-bas. Donc il s'était engagé très tôt à aller s'installer là-bas. Et c'est tout à son honneur. Je voudrais en tout cas lui rendre hommage pour euh, nous avoir aidé mais également pour euh, euh, son, le rôle qu'il joue au niveau de la localité où l'officier, à savoir Dara, il rend beaucoup de services aux populations de Dara. Et je voudrais donc le féliciter et lui rendre hommage pour tout cela. féliciter votre maman qui vous a également soutenu durant vos études et, et qui vous a très certainement donné une bonne éducation parce qu'Abi, je l'ai vu qu'une seule fois. C'était avant-hier, je crois. C'est quand elle est venue pour que je lui signe son document. Elle a fait preuve de beaucoup de discipline, de respect. Elle est bien éduquée. Et j'ai une sœur qui s'appelle Abby. Et j'ai beaucoup d'affection pour ma sœur Abby. Donc c'est pour ça que j'ai la même affection pour elle. en tout cas, elle est très disciplinée, respectueuse et courtoise. Euh, elle termine ses études en étant relativement jeune. Bon, n'ai pas vu de dédicace particulière. Bon, il y a un nom qui traîne, bon, je sais pas les relations qui les lient. Mais en tout cas, habillé euh, aux jeunes hommes qui sont dans la salle. Vous avez une jeune pharmacienne qui est mm, jolie, elle est, hein, elle elle est docteur, en tout cas elle a beaucoup d'atouts, donc à bon entendeur, salut, elle est bien éduquée en plus. Voilà. En tout cas, je euh, félicite vos parents qui vous ont donné une bonne éducation. Je vous souhaite une vie de famille heureuse, une carrière de pharmacienne très longue, une carrière heureuse. C'est vrai que maintenant on dit pharmacienne. Dans le temps, la pharmacienne, c'est la femme du pharmacien. Euh, en bon français, la pharmacienne, c'est la femme du... Donc Madame Doucré est pharmacienne. français, en français ancien. Mais maintenant, bon, on a tout féminisé. On dit la ministre, la professeure avec eux, bon, la pharmacienne, donc Abby est pharmacienne. Donc je vous souhaite une carrière de pharmacienne très longue, une carrière heureuse et au plan affectif, une vie heureuse et apaisée avec la personne que vous, avez, que vous allez vous choisir pour faire cette vie. Voilà, le jury se retire pour délibérer, la séance est suspendue pour quelques minutes. avec la lecture du procès verbal. Euh, le président et Michel et membres du jury, après avoir entendu Mlle Abi, Mme Abi Doucouré, dans sa soutenance de thèse de doctorat en pharmacie au cours de la séance du mercredi 9 mai 2018 sur le sujet suivant. Contribution à l'étude des médicaments utilisés dans le traitement de l'asthme. La déclare digne d'être promue au grade de docteur en pharmacie décide de lui donner une mention très grande avec les félicitations du jury. docteur Abi, veuillez vous rapprocher du micro et prononcer le serment de Galien. Je jure, en présence des maîtres de la faculté, des conseillers de l'ordre des pharmaciens et de mes condisciples, d'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement, d'exercer dans l'intérêt de la santé publique ma profession avec conscience et de respecter non seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de l'honneur, de la probité et du désintéressement. De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine. En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et favoriser des actes criminels. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque. nga jàppandu te nga tey a tey jamono yaay daa ayoo xale bi law la jëm kaaru ne buñ ko bu ne gi ne subaana dafa xëy nekk ca dëgg dëgg doo seen morom waaw nekku la set doo gañe ci yaati téere jàng lekkool jaax lañi jaana wàccu naa wutul xarit warul taxawaalu jàngam moo ko sax cappaaculi donnu na baayam jàng wàccu naay yow danga xool ci jamono moo tax nga gën a takku yaay say bañ duñu reetaan